commencement bi c'était compliqué et c'est normal dafa amone Covid jéewul un club et tout mais franchement dafa monter en puissance apporter nañu dara la lañu apporter c'est un gars bo xamante ne sentinelle propre dans son jeu manam football bi bëriwul ay déchets pasam dafa bëri dafa bax et lu ci bëri day day réussir c'est un gars bo xamante bo xolé ay stigam euh, du dem du dem ay duel yu bëri mais duel bi mu dem danaka da kay gagner wala euh, dina ci def lu bax euh, dans la récupération da ci nek léegi lan la changer ci jeu bu Aliou Cissé xamnañ ni équipe bu Aliou trois milieux terrain yi 2019 c'était était Pape Aliou Ndiaye Idrissa Gana ay Henri Saivet maintenant moom il a quelque chose bu xamante ne dafa manqué Pape Aliou Ndiaye maanaam dal Pape Aliou Ndiaye c' un joueur bu xamante il a tendance di di monter di yéeg ci kaw di projeté wu un joueur bu xamante ne man dama gis ne dafa xaw a xërëble mais dans le bon sens quoi c'est pas xërëble pour xërëble mais boy, bi dëkk gën dal gën a woyof Tay, c'est teey xam c' euh, je me rappelle de Claude Puel bi mu yoree euh, kii nii euh, Nampalys Mendy ñu ne ko loolu noo mën a tegee waaju championnat boo xamante ne c'est quand même physique dans les duels c'est dafa métti muy championnat France Mon équipe moi, c'est sama cerveau sama équipe bu ma bëggee mu décoller c'est c'est Nampalys Mendy damay teg Nampalys Mendy soo ko classé sama yenn c'est un joueur boo xamante ne euh, euh, taux de d'intelligence c'est c'est extraordinaire dans placement dafa dafa neex expliquer dafa neex a expliquer boo ko teglee ay consignes taf taf day comprendre fi nga jëm moo tax dans ce système bi xamante ne Aliou Cissé doon nekk teg bàyyi euh, Idrissa Gana Gueye nekk def fait le jeu benn bàyyi bàyyi benn Pape Gueye euh, Cheikh Kouyaté na ne va au abattage bi dama reyante n'empêche ne c'était le gars bi xamante ne moo am moo mooy bëti Aliou Cissé ci kaw ak si suuf À chaque fois, il demande Kalidou Koulibaly, moi, il est lumière. Il casse les lignes, parce qu'il qu casse les lignes. Au début, je me am frustration parce que je savais que j'avais une capacité pour dire pour projeté. C'est juste que ce n'est pas le rôle que je sais donne, mais même si après, je sais se Ganegui, à chaque fois, il compenser, parfois il redescendre un peu et, et, et laisser un monter en puissance. Et comme je l'ai dit, match après match a monté en puissance c'est un gars tellement intelligent et que Sénégalais qui me réunissent, ils yëpp le nañ parce que moi, moo Sénégal je woo mosuma woo contacter et que franchement il nous a apporté ce ce ce calme dans le jeu quoi.

Gana on a ko mu le jeu même si on n'a pas eu le meilleur Gana mais mais mendi Mendy compensé le lu bëri dafa changer jeu bu jeu du Sénégal carrément et que actuellement il est titulaire indiscutable sans n'être débat notre milieu terrain actuellement dans naan après c'est Kouyaté et Pape Gueye xeex leen bés Boubacar Kamara Soumaré benn Ibrahim Dial on va voir actuellement franchement Nampalys Mendy a une expérience une sérénité dans le milieu des Lions et qu'en Coupe d'Afrique face à l'Égypte face à Burkina Faso face à euh, Guinée équatoriale y a des prestations qui sont très dal na xel barrage même si je suis en club je suis carrément en club mais andi en fraîcheur physique. Alina générosité, Alina solidarité dans le milieu. Et à chaque fois, il marqué il compenser, récupérer, donner le bon tempo. Franchement, il euh, faut jouer beaucoup bas si Coupe d'Afrique et que pour mon prestation beaucoup bas, il faut renaissance. Moi, gars, beaucoup quand même, mais que 30 ans, est-ce que am 22 ans pour vous dire que c'est un jour magnifique, c'est un jour, euh, apporte carrément équipe nationale du Sénégal yi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis noo leen gisee Nampalys Mendy ak Coupe d'Afrique am xëy na yeneen vidéo dinaa andi yeneen jour mais en commentaire wax leen ma yeneen jour ngeen bëgg ma wax Keita Baldé en commentaire wax ma euh, ban jour ngeen bëgg ma wax ma def ci moom vidéo par rapport ak Coupe d'Afrique en commentaire wax leen ma si euh, seen xalaat ak seen gis-gis maa ngi leen di jaajëfal leen wax ba beneen sur Senfootball TV